moy ku nek saytu bopam saytu njabotam saytu quartier am saytu dëkk ba mu dëkk ba ku ci nekk sàmmoonteeg li nga xamé ni mom la woy keur docteur yi diglé Je voudrais magnifier ce geste du PDG de EG Boss, Elage Omar Sy, alors qui pour moi reflète un écho favorable que l'appel du chef de l'État a suscité dans le département de Mbour. Parce que hier, effectivement, comme nous tous nous l'avons suivi, le chef de l'État a encore une fois appelé le secteur privé à accompagner le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. En débloquant 10 millions de francs CFA destinés au compte de force COVID-19, alors, Monsieur Si s'est illustré de fort belle manière. Et cette contribution, au même titre que celle des autres donateurs, va effectivement permettre au gouvernement, en tout cas, de renforcer les mesures prises pour lutter efficacement contre cette maladie. Alors, il ne s'est pas arrêté à ce geste, il a également accompagné le comité départemental de gestion des épidémies en mettant à sa disposition 5 tonnes de riz et 500 euh, kilos de sucre. Alors, ce geste alors, vient à point nommé et je le lui ai dit dans mon bureau parce que dernièrement, nous étions en train d'élaborer un plan d'action destiné à la prise en charge des préoccupations des DARA. Alors, nous étions à court de moyens, parce qu'il est clair que pour que ces DARA continuent à rester dans ces DARA et ne plus, en tout cas, pratiquer la mendicité de subsistance, il fallait les accompagner. Donc ces denrées alimentaires nous permettront en tout cas de soulager un temps soit peu ces DARA, en Suisse, bien entendu, des autres actions que le comité a entreprises pour notamment faciliter aux maîtres coraniques qui le souhaitent le retour des enfants. Alors je voudrais en tout cas, au nom du département de Bourg, mais au nom également des plus hautes autorités de ce pays, remercier du fond du cœur M. Elage Omarcy pour ce geste euh, de portée humanitaire. Et cela, en tout cas, euh, rejoint ce qui est toujours euh, préconisé dans le cadre de la responsabilité sociale, sociétale d'entreprise. Je pense que nous tous ici présents, nous nous réjouissons de ce geste et prions les autres acteurs du secteur privé du département à imiter M. Elage Amarsi en accompagnant l'État du Sénégal qui, il faut le dire aussi, accepte de consentir beaucoup de sacrifices pour compenser un peu les pertes de profit occasionnées par la crise, notamment en termes de subventions en direction des entreprises du secteur privé, mais également en termes de remise ou bien d'annulation de dettes fiscales. Je pense que tout cela, donc réuni, nous permettra en tout cas de réussir euh, l'objectif qui est l'objectif aujourd'hui commun, c'est-à-dire faire en sorte que le peuple sénégalais ne souffre pas euh, trop gravement, en tout cas, des conséquences de cette, euh, crise. je voudrais, pour finir, en tout cas, réitérer l'appel des hautes autorités de ce pays en direction des populations pour qu'elles s'approprient davantage les gestes barrières, mais également respecter les mesures édictées par les autorités et qui vont dans le sens en tout cas de limiter au mieux la propagation de cette euh, maladie. Bon, je ne sais pas si cette information est exacte ou non, mais en tout état de cause, nos forces de défense et de sécurité veillent au grain et chaque soir, en tout cas, nos plages sont surveillées. Alors, il nous est revenu, en tout cas, euh, que certaines pirogues euh, remplies de passagers tenteraient d'accoster euh, sur nos, plages. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, en tout cas, je n'ai pas eu d'informations exactes et précises, détaillées sur l'existence euh, de, ces, de pirogues. Mais comme je l'ai dit, en tout la de cause, nous veillerons. Et hier, j'ai pu échanger avec le directeur de cabinet du ministre de la Pêche qui m'a indiqué que la marine a en tout cas lâché ses patrouilleurs pour que effectivement ces euh, patriotes puissent surveiller nos côtes. Mais ce que je tiens aussi à dire, c'est que si cette information est juste et que ces passagers sont nos compatriotes, on doit les encadrer. Accepter qu'ils débarquent, bien entendu avec un certain nombre de précautions. Et euh, la consigne, c'est qu'aujourd'hui, tout voyageur qui nous vient de l'extérieur, quel que soit en tout cas euh, la manière dont il est entré dans notre pays doit systématiquement être confiné pendant la durée euh, d'incubation qui est de l'ordre de 15 jours. Et je puis vous dire que dans le département, le dispositif de confinement est déjà opérationnel et je pense que cela ne devrait pas trop nous poser problème si de tels euh, passagers devaient débarquer sur nos, sur nos plages. En tout cas, à ce stade, ce que je peux dire à ce propos, c'est que nous avons été saisis officiellement par le ministre en charge du développement communautaire dans le sens de demander aux autorités administratives de mettre en place les comités, que ce soit au niveau départemental, au niveau arrondissement, mais également à l'échelle commune. Donc cela veut dire qu'en tout cas, le département de fait partie des départements qui vont bénéficier de cet euh, appui alimentaire qui devrait en tout cas contribuer à soulager nos compatriotes qui sont dans euh, le besoin. Par rapport aux modalités, je le disais tout à l'heure, nous pensons peut-être d'ici mardi, mercredi réunir euh, un certain nombre d'acteurs pour non seulement partager l'information, et également nous accorder sur les modalités. Mais ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que les véritables bénéficiaires puissent avoir accès à cette aide alimentaire.